forum district forum district kalam the forum district forum district forum district forum Monsieur, dames, bonsoir. Il est 18h15 à Niamey. C'est l'heure du forum du studio Kalangou à la présentation de Fils Adam Sirfo. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés dans les, dans les 8 chefs-lieux des régions du Niger ainsi que dans une vingtaine de départements grâce à notre réseau dynamique de 34 radios partenaires. À Nyame, vous pouvez nous suivre en direct sur Alternativa FM 99.4 MHz, Amphani FM 100 MHz, Quaretegi FM 90.9 MHz et Challenge FM 96.16 MHz. Notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet à www.studiokalangu.org. Le forum du studio Kalangu, c'est votre émission radiophonique qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez quotidiennement. Les maladies en période de froid, c'est la thématique du forum de ce soir. Le froid est la sensation contraire du chaud associée aux températures basses. Il s'agit également d'un qualificatif relatif au transfert thermique. Un corps chaud est qualifié de froid s'il est en contact thermique avec un autre corps de température plus élevée et duquel il est susceptible de recevoir de la chaleur. Cependant, le froid favorise plusieurs pathologies telles que les maladies respiratoires ou cardiovasculaires. Nous allons donc dans ce forum voir les différentes maladies liées au froid, comment ces maladies se développent, pourquoi le froid favorise-t-il certaines maladies, quelles sont les tranches d'âge de personnes à risque, comment se protéger du froid, quelles sont les mesures de protection à adopter contre le froid, Autant de questions auxquelles nous tenterons de trouver des réponses. Pour cela, nous avons dans ce studio Dr Zazi, pneumologue. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Nous avons également Dr Sabo Zainabou, et les pédiatres. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir fait le déplacement. Je le disais plus haut, les maladies liées au froid, c'est la thématique du forum de ce soir. Mais avant de poursuivre, je vous invite à suivre M. Ousmane Bawa. Il est météorologue pour nous expliquer en quelle période peut-on parler du froid et comment il se manifeste. La période euh, de froid, d'abord, c'est pendant la saison sèche. Donc, euh, la saison sèche ici euh, au Sahel, ça, elle commence à partir du mois de novembre pour finir pendant le mois de mars-avril. En ce qui concerne la, fraîcheur, donc cette saison sèche est subdivisée en deux parties. Nous avons la saison sèche froide et la saison sèche chaude. Donc la saison sèche froide commence à partir du mois de novembre pour finir en janvier, voire début février. Et la deuxième saison sèche commence à partir du mois de février jusqu'au mois de mars-avril. Donc euh, on parle généralement de saison froide lorsque nous avons au cours de l'année des températures euh, très basses, comme euh, celle du mois de décembre et janvier, qui de au moins de 10 degrés Celsius sur, ce euh, sur pays. Donc nous sommes justement en début du mois de janvier donc, ce qu'il faut d'abord euh, euh, remarquer ou bien observer, c'est le mois de janvier 2018 commence avec des températures euh, relativement très basses, c'est-à-dire euh, par rapport au mois de décembre. peut le mois de décembre a été un mois très froid, mais le début du mois de, janvier 2018, les températures sont encore très en Par exemple, si vous prenez les régions de Dufa, Gender et Maradi, les températures sont autour de 11 à 8 degrés Celsius. Vous prenez les régions du fleuve, c'est-à-dire les régions de, de Niamey, de Sou, que la durée, les températures sont en baisse de 4 à 5 degrés Celsius parce que la durée à 14, l'année aussi pareil, c'est 14 degrés degrés Celsius. Donc c'est un mois de janvier 2018 qui commence avec des températures relativement très basses. Et ce froid, il va s'étendre jusqu'au mois de février ou bien c'est jusqu'à la fin du mois de janvier Bon, euh, généralement la période euh, de fraîcheur, euh, euh, le mois le plus froid, c'est le mois de décembre et janvier. Mais euh, quand on prend les données de nos années 80, les années 70, les années 90, le mois de février était un mois relativement très tôt. Mais depuis ces trois, quatre dernières années, nous avons constaté que, comme pour le mois de février, surtout jusqu'au 15 février, c'est que cette, cette question-là qui, est ressentie. Certes, euh, on va arrêter les températures les plus basses pendant ce mois de de janvier 2018 mais jusqu'à la deuxième euh, décade du mois de février, on peut vraiment euh, sentir euh, les températures qui sont quand même qui tournent autour de 15 à 20 degrés Retour dans ce studio, chers invités, vous venez d'entendre toutes les explications du météorologue sur le froid, sur la période du froid ici à Niamey. Nous sommes présentement même en période du froid. Alors, docteur Alphazazi, je vous donne la parole. Euh, le froid en général, quelles sont euh, les pathologies que favorise le froid Merci Madame pour l'occasion que vous m'offrez pour euh, parler un peu de cette situation que le froid. Que ça, le froid, ça fait du bien à certaines personnes mm. et certaines personnes, ça les dérange surtout les gens qui ont des problèmes, euh, surtout au niveau respiratoire. Mm-hmm. Et ce qui fait que ce froid-là, non seulement il peut déranger par deux manières, non seulement par le froid même en tant que tel, mais également par le fait que certaines personnes, pour se protéger, utilisent certains comportements qui peuvent les mettre à risque sur le plan respiratoire c'est le fait de se réchauffer à travers euh, les feux de bois ou bien les chauffages avec euh, certaines choses qui peuvent donner les gaz carboniques, le monoxyde, le monoxyde euh, de CO2 qu'ils peuvent inhaler en essayant de se protéger contre ce froid, en essayant de se réchauffer. Donc c'est par ce mécanisme-là que certaines maladies peuvent survenir. Surtout, euh, par exemple, euh, les gens qui sont sapés, le, le froid, surtout, c'est pas le froid en tant que tel, mais c'est le changement de température. Mhm. C'est-à-dire le fait de passer du chaud au froid en modifiant la, flore microbienne locale peut entraîner certaines maladies telles que les rhumes, par exemple, qu'on connaît de plus connu sous le nom de rhinite. Rhinite, c'est des rhinites allergiques. Et en dehors de ça, le froid aussi, il est, cette période-là, en dehors du froid, il y a la poussière qui, qui est là aussi, l'armatin qui est là aussi, mm. qui, qui véhicule beaucoup de choses, qui peut véhiculer non seulement eh, des microbes hein, en son sein, mais également des irritants bronchiques au niveau des voies aériennes, que ce soit supérieur ou inférieur et ça peut aussi véhiculer eh, eh, certaines, eh, certaines substances qui peuvent être qui peuvent déclencher certaines maladies. Oui, et donc euh, si on peut en dire, euh, les maladies respiratoires sont les maladies euh, que favorise la période du froid en général. Bon, et je ne peux pas dire que c'est seulement les maladies respiratoires. Il y a d'autres maladies telles que les rhumatismes que ça peut déclencher. Mm. Mais le, le froid, en, faisant cela, comme je vous ai expliqué, ça peut eh, entraîner certaines maladies telles que les rhinites allergiques, voire les, les sinusites. Mm, nous allons revenir plus en détail sur les différentes maladies. Alors, docteur Zenob, je vous donne la parole. Cette période de froid dans laquelle nous sommes actuellement, euh, qu'est-ce que vous pensez de cette période de froid Comment euh, vous pouvez un peu nous définir cette période de froid en tant que spécialiste de la santé pour les enfants. merci Madame pour euh, l'occasion que vous nous donnez pour pouvoir échanger un peu sur euh, les pathologies à cette période de froid. Donc, comme euh, le pneumologue a su le dire, c'est non seulement les pathologies respiratoires et autres pathologies, autres organes aussi peuvent être atteints. Mm. Et particulièrement euh, chez les enfants. Vraiment, à cette période, c'est les infections respiratoires. Parce que en ce moment, c'est surtout euh, les, les infections dues surtout au virus qui euh, affectent les enfants et surtout au niveau de ses voies euh, aériennes supérieures, vraiment au niveau de l'appareil digestif mhm. et de l'appareil respiratoire. Oui. Donc, ce n'est pas uniquement les enfants. Il y a certains euh, terrains et pathologiques malades tel que, comme il l'avait dit, c'est pas uniquement le froid, c'est pas uniquement euh, l'infection respiratoire. Ça peut déclencher d'autres maladies, telles que, euh, docteur Beidar, il le sait très bien, la drépanocytose. Donc, euh, vraiment, cette période de froid, c'est un facteur déclenchant des crises euh, drépanocytaires et chez les crises vaso-occlusives, les douleurs mhm. chez ces patients drépanocytaires. Ok, merci à vous. Docteur Alfazazi, comme vous venez de le dire, euh, docteur Zenobou, les enfants et même les adultes euh, sont les personnes euh, qui sont un peu vulnérables ou bien vulnérables même au froid. En quoi ce froid affecte les enfants et même et les adultes également En quelque sorte, ce froid-là comme, comme je l'ai dit, et ça modifie la, la flore bactérienne locale, mhm. qui fait que la personne euh, est exposée à faire certaines infections, surtout comme docteur Zenebou l'a dit, les infections respiratoires, surtout d'origine virale, elles sont les plus fréquentes, mais il ne faut pas passer à côté aussi de certaines infections euh, bactériennes, les surinfections des fois, mais également il y a aussi eh, les allergènes qui sont là aussi parce que comme je vous ai dit le froid et la poussière sont ensemble et peuvent véhiculer certaines allergènes qui s'ils surviennent sur certains terrains peuvent non seulement déclencher certaines maladies mm-hmm. mais ils peuvent aussi aggraver déjà des maladies déjà existantes. Mm-hmm. Donc c'est pour vous dire que vraiment eh, eh, ce froid-là, il peut entraîner des infections, surtout ORL, si vous prenez mhm. les infections ORL, parce que tout commence par le nez et ça peut descendre comme ils sont, ils sont, ils ont presque les mêmes compositions. Ça descend au niveau des branches avant d'atteindre les poumons. Les poumons oui. Voilà. Et donc, euh, spécifiquement, quelles sont ces maladies respiratoires Citez-nous. Euh, les maladies respiratoires les plus fréquentes dans ce, au cours de ce froid-là, c'est surtout la rhinite allergique. La rhinite, euh, elle, peut être allergique comme elle peut être d'autres origines. Mais la rhinite allergique est les, la rhinite la plus fréquente qui peut se compliquer des sinusites. Mhm. des fois chez certaines personnes. Il y a l'asthme, l'asthme bronchique qu'on connaît, qui peut, et non seulement le froid peut le déclencher, ou bien il peut être, il peut aggraver mhm. en faisant de sorte que un asthme qui est déjà contrôlé des personnes qui n'ont pas du tout, euh, qui ont oublié même leur asthme, mm. se retrouvent dans des situations de crise à répétition. Mm. Il y a aussi euh, certaines maladies, c'est-à-dire les gens qui ont fait des infections respiratoires auparavant, telles que la tuberculose, et que ça a laissé des séquelles. Ce froid-là peut aggraver ça en faisant des surinfections de ces séquelles-là. Donc c'est aussi ces, certaines, ces maladies-là que ça peut entraîner. Mm. Le froid, et, il complique également les maladies liées au tabagisme. Mm. Il y a une maladie, maladie qu'on appelle la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est l'asthme des fumeurs. Mm. Nous, on l'appelle l'asthme des fumeurs. Donc, c'est des gens, qui sont exposés à ce froid, ils peuvent faire ce qu'on appelle des exacerbations de BPCO ou voire même des décompensations. Les décompensations, c'est-à-dire, c'est des gens qui ont des difficultés à respirer lorsqu'ils sont au repos ou un peu à l'effort, mm-hmm. mais que avec le froid, ça décompense cela et ça fait en sorte qu'au moindre effort ou, même au, repos, la personne peut se retrouver dyspnéique. C'est des mm. gens qu'on suit qui sont c'est des conséquences du tabagisme qu'on suit. Mhm. Il y a aussi les, certaines maladies cardiovasculaires que le froid peut décompenser. Par exemple, les gens qui sont déjà insuffisants cardiaques, en faisant des infections respiratoires, ça peut décompenser leur problème cardiaque. Mhm. Vous voyez que le froid, il y a beaucoup de choses que ça peut entraîner, entre autres. Mhm. Voilà quelques maladies. Oui, euh, ces maladies que vous venez de citer, telles que l'asthme, euh, comment se euh, manifeste-t-elle se manifeste chez, chez une personne en quelque sorte, l'asthme, c'est une maladie, c'est un désordre inflammatoire des voies aériennes qui est dû à, à des au fait que si les gens qui sont susceptibles, ils sont exposés, le facteur déclenchant par exemple, ça entraîne une bronchoconstriction, c'est-à-dire que ça ferme les voies aériennes, c'est-à-dire l'air, le passage de l'air est, mm-hmm. fermé, mm-hmm. et ça entraîne des crises des sensations d'oppression thoracique, une toux avec euh, une respiration sifflante, des difficultés à respirer. Mm-hmm qui peut passer spontanément sans traitement ou bien qui nécessite des traitements. Et des fois, c'est des situations qui mettent en, danger la vie de la personne mm-hmm. parce que qu'il y a des situations que si la personne n'est pas prise en charge rapidement, il peut entraîner et ça peut entraîner la mort subite hein. mm-hmm. parce que c'est comme si l'asthme c'est comme quelqu'un qu'on a asphyxié et que tant qu'il n'a pas eu de traitement rapide des fois ça peut tuer la personne. Voilà, en quelque sorte, si la personne est exposée, et surtout, il y a parmi les facteurs déclenchants de l'asthme, il y a le froid qui est reconnu. Comme mm-hmm. certaines personnes, le froid les déclenche les crises. Mm-hmm. Et que ces crises se manifestent par la toux, les oppressions thoraciques, une respiration qui siffle et surtout les difficultés à respirer. Voilà. Merci à vous, euh, docteur Zainobou. Au niveau euh, de l'enfant, du tout petit, euh, ce froid comment il se manifeste, les maladies, comment ça se manifeste chez l'enfant. merci. Euh, la maladie chez l'enfant et comme on dit euh, vraiment, le chef de file des, des maladies du froid, c'est les infections respiratoires, comme euh, le pneumologue euh, a su le dire. Et aussi, c'est selon le niveau de l'atteinte de l'arbre respiratoire. Arbre respiratoire, c'est-à-dire on a les voies respiratoires hautes et les voies respiratoires basses. Mhm. Donc, ces voies respiratoires hautes, c'est comme il a, dit, c'est le nez qui peut être euh, atteint. Et après le nez, c'est là qu'on trouve les rhinites qui est presque la première cause même de consultation chez euh, l'enfant. Parce que fréquemment, les mères viennent, on a mon enfant a le rhume, mon enfant a le rhume. Après le nez, on a la gorge. À force, le nez est atteint, l'enfant n'arrive pas à respirer. Au fil du temps qu'on descend, j'explique, je, donne un peu les manifestations. le nez est bouché, l'enfant n'arrive pas à respirer. Un enfant en bonne santé apparente respire avec son nez. Mais lorsque le nez est bouché, il y a des difficultés respiratoires. L'enfant n'arrive pas à respirer et il ouvre la bouche pour respirer. Et qu'est-ce qui se passe avec ce courant d'air qui passe et cette fraîcheur Il y a une irritation de la gorge. Et qu'est-ce qui se passe On a une inflammation au niveau de la gorge, l'angine difficulté à avaler, difficulté à s'alimenter. Et comme l'oreille, le nez, la gorge, ça se communique. Et qu'est-ce qui se passe Il y a une irritation au niveau de l'oreille. Et qu'est-ce qui se passe C'est les douleurs au niveau de l'oreille. Et ça, c'est au niveau de, voies aériennes supérieures. Ça descend. Ça atteint non seulement les branches, c'est-à-dire au niveau, on descend au niveau pulmonaire, avant même les bronches, il y a la trachée qui est aussi quelquefois atteinte. Et il y a les bronches et les, les branches, c'est les, de, qui ont les calibres, c'est gros. Et les, les, toutes petites branches sont atteintes qu'on appelle bronchiolite. Et c'est ça qui est très, c'est très fréquent chez euh, le tout petit, surtout chez les enfants de moins de deux ans. Et donc là, qu'est-ce qui se passe C'est la toux, c'est la difficulté respiratoire et, et là, euh, un enfant qui ne respire pas, et ça donne vraiment euh, la famille, tout le monde est un peu aux aguets parce que c'est vraiment spectaculaire. On dit que tout de suite, l'enfant pourra rendre l'âme. Mm-hmm. Donc c'est surtout c'est la fièvre, les mois de gorge, les douleurs, l'enfant pleure pleure parce qu'il ne peut pas dire exactement j'ai mal. Mm-hmm. Et s'il pleure, c'est à cause des douleurs. Et cette douleur, après, il y a les difficultés à respirer. Et comme l'enfant, chez l'enfant, non seulement il y a des difficultés respiratoires, il y a l'oreille qui est, le nez, l'oreille, la gorge, c'est atteint. On assiste à quoi À une diarrhée. Mm-hmm. Donc, euh, tout ça, autant de maladies que un point de départ peuvent déclencher. Une obstruction euh, nasale peut entraîner de, de diarrhée, de mm. troubles digestifs, les vomissements, diarrhée chez l'enfant. Est-ce qu'on peut dire qu'un manque de protection peut exposer l'enfant à, à, à ces multiples maladies pendant le froid Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas si on peut rentrer directement pour la prévention parce que, et certes, lorsque cet enfant-là est exposé, on a des phénomènes de vasoconstriction, des phénomènes d'irritation. Qu'est-ce qui se passe on demande tout simplement de bien protéger cet enfant qui est très, très, très capital. Mais dans certains cas, on trouve des enfants qui sont vraiment bien protégés euh, dans, les, chambres, mais qui, sont, qui souffrent euh, de ces maladies. Qu'en est-il de cette euh, situation Très bien, toujours on rentre dans, le, dans la prévention. Le froid, particulièrement, on a vu que c'est les infections virales qui sont la première cause de ces maladies. Et les chambres, on dit, lorsque c'est complètement fermé, ça favorise la pollution des bactéries, la pollution des microbes. Donc c'est pourquoi il est demandé, il ne suffit pas de tout fermer. Il faut savoir aérer un peu pour qu'il y ait échange d'air. Et là, ça déstabilise vraiment le, le mode de vue du, des microbes. Et aussi, euh, il y a le plus souvent certains enfants, malgré qu'ils sont bien protégés, ils ont des allergies. Et cette allergie, dès qu'ils sont exposés, quel que soit le moyen de protection qu euh, que les parents font, ils peuvent déclencher la maladie comme docteur Afzazi l'avait dit. Il y a euh, à part l'asthme, il y a les autres maladies respiratoires allergiques mm-hmm. et que le plus souvent, ces enfants sont confrontés pendant cette période de froid. Mm-hmm. Merci à vous, docteur Al-Khazazi. Je reviens vers vous. Vous venez d'entendre toutes ces explications euh, des manifestations des maladies du froid euh, chez les enfants. Qu'en est-il de l'adulte euh, une petite négligence peut-elle conduire euh, un adulte à, tomber malade euh, d'un certain nombre de maladies Bon, je ne peux pas dire que des fois, ce n'est pas une négligence, c'est juste euh, la période qui est là. Mm. C'est qu'il faut essayer de s'adapter à la période. Mm. S'adapter veut dire quoi ça veut, ça veut dire que essayer d'être le moins dehors parce que, comme je vous ai dit, en dehors du froid, il y a la poussière qui véhicule non seulement des maladies, mais également qui véhicule des allergènes qui peuvent être vraiment dangereux pour certaines personnes euh, qui sont déjà qui, ont déjà des terrains atopiques qu'on les appelle des terrains allergiques. Mm-hmm. Donc ces gens-là, ils, ils, ont intérêt à limiter à limiter leur, euh, à se faire exposer à ce froid, à, à cette poussière, parce que vraiment, euh, s'ils ne le font pas, ils risqueraient d'aggraver non seulement les maladies que j'ai citées. Mm. Donc, euh, un rhume qui commence, comme le docteur l'a dit, c'est un chemin. Hein. C'est un chemin qui descend. Mm-hmm. C'est comme les escaliers qui descendent. Les voies aériennes supérieures, ils communiquent avec les voies aériennes inférieures, basses, et qui fait que c'est des fois les facteurs déclenchants comme ça, mm-hmm. de ces maladies-là. Donc, euh, il faut essayer d'éviter. <coughs> Maintenant, le, le, froid en tant que tel, en quelque sorte, des fois, il y a certaines personnes, c'est le changement de température même qui leur crée les maladies. Mm-hmm. En quelque sorte, c'est quoi Si par exemple quelqu'un s'expose au froid, et qu'il rentre dans sa maison, il est chaud. Ce changement de température, des fois, ça peut contribuer à modifier la flore bactérienne locale. Ça profite, on appelle ça la, flore bactérienne, ça profite. C'est-à-dire que dans les voies aériennes supérieures, il y a des microbes qui sont là. Et c'est le système de tu ne me fais rien, je ne te fais rien. On est ensemble, mm-hmm. en symbiose. Mais dès qu'il y a eu un petit changement, de température, et que ce soit le froid ou la chaleur, l'alternance entre les deux, va faire en sorte que un groupe de microbes va prendre le dessus sur un autre groupe et faire créer la maladie. Mm-hmm. C'est ça, il y a des fois c'est ça qui est la base de la maladie. Le deuxième cas aussi, c'est le fait que c'est des substances toxiques, chimiques, euh, euh, allergiques qui rentrent dans les voies aériennes et dès qu'il rentre en contact avec la muqueuse, il entraîne une inflammation. C'est le cas des rhinites allergiques, c'est le cas de l'asthme. C'est même pas des microbes, hein. mm. c'est des allergènes qui sont là. Ils créent cette inflammation. Et l'inflammation étant faite, c'est comme si l'organe est fragilisé. Les autres microbes profitent aussi pour venir mmh. s'agripper. Donc l'un dans l'autre, moi ce que j'ai dit par rapport aux adultes comme par rapport aux enfants, il faut faire avec, il faut se protéger, il faut savoir comment se comporter avec la période pour, pour être le moins malade possible. Mhm. Docteur, nous sommes actuellement en période de froid, nous sommes en janvier. Est-ce que au niveau de vos centres de santé dans lesquels vous intervenez, vous enregistrez déjà des personnes qui souffrent, qui se plaignent de ces différentes pathologies dont vous venez de citer oui, madame, et c'est cette période, euh, il y a plein, plein de constatations liées aux maladies respiratoires, surtout la rhinite allergique, les sinusites, pour, ne citer que la voie aérienne supérieure, l'asthme pour les voies aériennes inférieures. J'ai dit pour les fumeurs, c'est la période pour faire des exacerbations et mm-hmm. des décompensations de leur BPCO. Et on voit également plusieurs malades qui viennent, anciens tuberculeux, qui viennent pour des symptômes semblables à leur tuberculose parce qu'ils ont été exposés au froid et à la poussière et qui a fait qu'ils ont des symptômes maintenant. Mm. Tous les jours, les constations sont pleines à cause de ces maladies respiratoires que je vous ai citées. Et parmi aussi, c'est aussi la même chose chez les cardiologues c'est la même chose chez les pédiatres, c'est la même chose chez les rhumatologues. Vous comprenez C'est un ensemble de maladies qui sont là, qui sont liées à ce froid, qui font que durant cette période, tout celui qui ne se protège pas est exposé à faire la maladie et mhm. ça augmente la fréquence des consultations. Et je vous assure, hein, il faut aller au sénaté mhm. ou bien il faut aller à la mort pour voir les nombres je suis là mort pour voir le nombre de malades qui viennent en consultation en cette période tous les jours. Mm-hmm. Et de, votre côté, docteur Zenobou, euh, qu'en est-il des patients que vous recevez, les enfants Bon, euh, ces enfants, il faut qu'on ait à l'esprit que ces infections respiratoires euh, sont chez l'enfant la deuxième cause même de mortalité chez l'enfant. Après le paludisme, ce sont ces infections respiratoires. Oui, parce que c'est le moment. Et puis, ce sont des terrains euh, très fragiles. Mhm. Ils sont exposés et vraiment, ils occupent la majorité euh, des lits en hospitalisation. Et le plus souvent, ça part du plus simple au plus compliqué. Oui, continue. Ok. Donc, euh, comme je disais que c'est vraiment le, le, moment, et comme j'ai su le dire aussi à travers ces, ces symptômes, comme je l'ai expliqué, donc, en plus de l'obstruction nasale qui va entraîner ces douleurs, qui va entraîner ces fièvres, et la moindre des choses, les parents, après avoir utilisé vraiment les moyens euh, locaux, il se, se réfèrent dans les centres médicaux. Et vraiment, je vous dis, après le paludisme, ce sont la deuxième cause de morbidité chez les enfants. Mm-hmm. Et euh, qu'est-ce que vous préconisez le plus souvent aux parents de ces enfants en termes de traitement Qu'est-ce que vous préconisez pour ces enfants-là, les tout petits enfants Ok. En termes de traitement euh, vraiment, en termes de traitement, on a ce que nous, on appelle le traitement curatif et puis le traitement préventif. On met beaucoup l'accent sur le traitement préventif. Le traitement euh, curatif, les symptômes sont là, les mères viennent consulter. Quelquefois, eux-mêmes, ils savent ce qu'il faut utiliser à, à, domicile, à savoir le miel avec euh, le citron ou bien les beurres de karité qui, euh, les parents utilisent le plus souvent, qui, je ne dis pas que c'est, c'est pas bien, c'est très bien même, mhm. mais quelquefois, euh, ça se limite à là, parce que ça se complique. Mhm. Et le plus souvent, on vient vers euh, les centres euh, sanitaires et l'agent de santé, après évaluation, instaure le traitement qu'il faut. Mhm. Et il y en a d'autres, au lieu de ressortir avec l'ordonnance, c'est une hospitalisation. Mais on peut dire que les traitements euh, à base de produits naturels sont efficaces, comme vous venez de le citer, le miel, tout ça. C'est efficace dans certains cas lorsqu'il n'y a pas de surinfection. Surinfection. Surinfection, c'est-à-dire, on a dit en début d'émission que ce sont des infections virales. Infection virale parce qu'il y a une irritation, comme docteur Alfizazi l'a dit, une irritation de la gorge ou bien une irritation au niveau du nez. Très bien, on peut utiliser ce miel et le miel avec euh, le citron qui peuvent traiter quand il s'agit uniquement de l'irritation, de l'inflammation. Mais est-ce que quand c'est surinfecté, il y a une bactérie qui est greffée sur cette inflammation, ces produits peuvent traiter Moi, je dis non, parce que ce ne sont pas des antibiotiques. Mm. À force, quelquefois, de donner ça ne limite pas l'inflammation. Et parce qu'il y a une surinfection, il faut aller euh, voir l'agent de santé et puis instaurer le traitement qu'il faut. Mhm. Alors, docteur Alfazazi, euh, de votre côté, comment se fait le traitement de toutes ces maladies respiratoires que vous venez de citer Bon, comme. Euh, merci, madame. Donc, euh, par rapport à ça, comme j'ai dit, moi, je préfère dire prévenir que de, traiter. Mm. Parce que le, traitement, ça nécessite des fois l'intervention d'un agent de santé ou voire même des spécialistes pour pouvoir sauver ces patients-là. Donc, L'essentiel, c'est que le patient, euh, c'est que les, gens doivent savoir et faire, c'est vraiment se protéger. Se protéger contre ce froid. On sait comment se protéger, c'est mettre des habits un peu qui sont amples, qui sont un peu qui, qui, un peu peut réchauffer un peu le corps. Éviter surtout les changements de température. Parce que c'est surtout ça le problème. C'est-à-dire passer du froid au chaud ou du chaud au froid. Des fois, ça, ça aggrave la situation de la personne. Il faut éviter, et pour se protéger contre le froid, certaines personnes utilisent les chauffages avec euh, le feu du bois où ils mettent des choses qui créent beaucoup de fumée dans la, dans la maison, l'enceinte par exemple et autres qui, s'ils sont, ils vont respirer ce fumée là peut leur créer plus de problèmes que de bien. Mm-hmm. Donc il faut éviter cela. Euh, nous allons revenir sur les mesures préventives euh, de notre dernière partie. Docteur, dites-nous, est-on plus malade en période de froid qu'en été Pour certaines maladies, oui. Parce que je vous ai dit que ce n'est pas le froid seul qui est là. Le froid, c'est vrai, il contribue parce qu'en créant euh, euh, des, problèmes au niveau des voies aériennes, en lui-même, hein, hein, le froid en lui-même peut créer des problèmes au niveau respiratoire, donc euh, qui peuvent conduire à la survenue des, maladies. En dehors de ce froid aussi, il y a la poussière avec toutes ces composantes hein, que mhm. ça peut créer qui peut être à la base de certaines maladies. Donc, ce qui fait que cette période-là, ça peut entraîner plus de plus de de que la période chaude. Mais parce que vraiment toutes les maladies allergiques, toutes les maladies, les décompensations de certains problèmes respiratoires qui sont déjà là, c'est au moment de cette période-là qu'ils sont eh, eh, eh, bien, présentes. Mhm. Merci. Euh, nous allons marquer une petite pause, le temps de poursuivre à ce forum. arrivons à la dernière partie de ce forum pour parler des mesures préventives euh, face à cette euh, période de froid, face aux maladies qui sont déclenchées par le froid. Docteur Alfazazi, parle-nous euh, comment se protéger du froid en tant que tel. Bon, comment se protéger du froid, c'est surtout eh, comment protéger les voies aériennes supérieures, parce que c'est eux qui vont être à la base de tout. Parce que moi, je vais vous parler plutôt de comment est-ce qu'il faut protéger les voies aériennes supérieures pour ne pas les exposer mhm. à des microbes, mais également à des, à des allergènes qui peuvent être source de maladies, source de problèmes respiratoires. Qu'est-ce qu'il faut faire Comme je vous ai dit, par rapport au froid, il faut éviter le passage du chaud au froid. Ça, c'est un. Mm. Deuxièmement, il faut essayer d'éviter l'utilisation de certaines choses, telles que, par exemple, les. Comment est-ce qu'on appelle euh, les dougous qu'on met les voilà, les encens pour réchauffer mm. la maison, ou bien il y a aussi dougoubi ou quoi, quoi, là, excusez-moi du terme. <laughs> qu'on met, on met la fumée s'élève, on ferme fenêtre, machin, pour, juste dans le but de réchauffer, les gens mhm. sont dedans. Cela, c'est très dangereux. Quand la fumée est de trop. Voilà, mhm. parce que ça peut aggraver la situation. Et même pas ça, en dehors même de la fumée, il y a aussi l'odeur qui peut déclencher certaines crises d'asthme ou certaines rhinites allergiques chez certaines personnes qui, ça c'est très dangereux, il faut l'éviter. Mhm. Il faut se protéger les voies aériennes en mettant soit des bavettes ou bien des choses de fortune pour que la poussière qui, qui est, qui, qui, vous savez, le, Niger, c'est un pays mhm. terriblement poussiéreux, avec toutes les conséquences sur les voies aériennes. Les voies aériennes sont la porte d'entrée de beaucoup de microbes les virus, comme docteur Zainabou l'a dit, mm. les bactéries. Parmi les bactéries, surtout les bactéries de la tuberculose, on le sait bien. Mm. Il y a aussi d'autres bactéries qui sont eh, véhiculées par les trucs. Il y a les allergènes qui sont véhiculés par la poussière. Mm. Donc il faut se protéger les voies aériennes supérieures. Il y a certaines pratiques que les gens font chez les barbiers, qui est très dangereux pour leur santé. Et ça, c'est généralement les anciens qui le font. Mm-hmm. Ils partent là-bas, on enlève la barbe et on enlève même les poils qui sont à l'intérieur des, narines. Des narines. Alors que les gens ne savent pas que ces poils-là, ils ont un rôle. le fait de faire barrière pour les grosses particules qui veulent rentrer dans les voies aériennes. Mm-hmm. Et en les enlevant, ils, créent un carrefour direct, hein, mm-hmm. sans escale, pour aller dans les poumons avec euh, toutes les conséquences que ça peut entraîner. Et maintenant, la dernière chose, si toutefois les symptômes, malgré cette protection, les symptômes surviennent, moi je pense qu'il faut rapidement consulter. Il ne faut pas attendre que la situation soit grave pour aller consulter dans un centre de santé. Mm-hmm. Il faut rapidement aller consulter pour qu'on puisse savoir de quoi il s'agit et faire le traitement adéquat mm-hmm. que de faire les des trucs euh, euh, euh, qui peuvent seulement soulager, mais qui ne traitent pas des fois. Ok. Voilà. Docteur Zenobou, comment protéger les petits-enfants en période de froid pour limiter les risques d'aggravation des maladies, tout ça Ok, merci madame. Comment protéger, comme docteur Alfazazi l'a su dire, vraiment c'est protéger c'est mettre les habits chauds. Vraiment habiller correctement euh, son enfant. Je pense que on a la friperie qui est à la portée de tout le monde. Vraiment, je dis de tout le monde, quelquefois, quand je vois, on dit des tenues à 100 francs, 100 francs, je me dis vraiment, c'est très bien, ça permettra au moins à ces mères de protéger correctement l'enfant. Et aussi, euh, ces, chambres, ces maisons qui sont renfermées. Vraiment là, les germes sont ravis parce que ça permet la pollution de ces bactéries, la pollution de ces virus. Mhm. Il faut savoir vraiment aérer quelquefois. Ça aussi, c'est un moyen de protection parce que tant qu'on aère, ça permet de rompre aussi le, le développement de, de, ces germes. Il y a aussi le toucher, parce que quand, une seule personne est infectée dans la maison, il contamine tout le monde. Parce que le toucher, c'est ça qui est le vecteur de transmission de, de ces virus. Donc, que faut-il faire Il faut savoir laver et apprendre à laver aussi et apprendre euh, à laver les mains des enfants à chaque fois qu'on revient vraiment, quand, dès qu'on a la possibilité, il faut laver les mhm. mains. Et un point capital aussi que je tiens vraiment à dire ici, il faut savoir moucher. Moucher, faire moucher les enfants. C'est ça qui permet vraiment la désobstruction de ces voies aériennes. Mhm. Parce qu'on l'a vu dès le début, quand c'est bouché, ce que ça crée. Vraiment, il faut déboucher les narines des enfants, mhm. quels que soient les moyens qu'on peut utiliser. Et aussi, il y a les vaccins. Les vaccins avant, c'est pas à la portée de tout le monde. Il y a un vaccin qui, à l'époque, on l'achetait à 75 000 francs la dose et il faut faire trois doses. Ce mm. C'est pas à la portée de tout le monde. Mais maintenant, avec le programme élargi, c'est introduit dans le PEV c'est à la portée de tous les, gens, de tous les enfants. Mm-hmm. Sauf que quelquefois, on trouve des mères qui ne font pas vacciner leurs enfants. Or, ils les font exposer. Et rapidement, quel euh, mauvais comportement éviter chez les enfants Le mauvais comportement, c'est de voir les sécrétions au niveau des nez qui sortaient de mhm. l'enfant, du nez de l'enfant et on l'observe. Mhm. Ça, c'est un mauvais comportement. Mhm. Je pense que hygiénique sur le plan hygiénique même c'est pas hygiénique. De, mhm. la même manière que c'est pas hygiénique, c'est pas beau à voir, c'est de cette même manière que ça détruit l'organisme. Oui, et aussi le contact avec euh, on voit des enfants qui qui comment dirais-je qui consomment les produits glacés genre euh, ça aussi c'est un mauvais comportement. Justement, c'est un mauvais comportement parce que moi je sais que à l'époque dès qu'il fait frais pendant la période froide on interdit la vente de, ces produits. Mm-hmm. Tout simplement, c'est pour prévenir parce que il y a une irritation, il y a une irritation des, des, voies mm-hmm. aériennes et qui fait exposer qui fait exposer l'enfant. Donc, euh, vraiment, c'est ça, euh, vraiment, qu'on a à échanger avec vous. Vous avez quelque chose, nous sommes au terme de ce forum. Rapidement pas grand-chose à dire. Hein. Mhm. Donc, euh, comme je l'ai dit, comme le docteur l'a dit, c'est vrai, dans certaines situations, chez certaines personnes, les vaccinations peuvent les protéger contre, surtout les vaccins contre le pneumocoque et les vaccins antigrippal. Chez les patients avec des séquelles respiratoires, c'est démontré qu'ils peuvent, ils peuvent minimiser mhm. les, les cas d'infection respiratoire où ils peuvent aussi diminuer les, les, complications de certaines maladies mm-hmm. au desquelles. Donc, vraiment, euh, la vaccination aussi, et chez les, je dis bien chez certains patients avec des problèmes respiratoires. Hein. Mm. Mm. Merci, à vous et nous sommes au terme de ce forum. Nous étions avec euh, Dr Alfazazi, pneumologue, et docteur Sabo Zenabou, et les pédiatres. La technique, c'était Ali Soufou. Merci d'être resté à notre écoute. Rendez-vous demain à la même heure pour une autre thématique. Au revoir.